man ma Yama commission féminine groupe bi dénommé les enfants de Nicole Gakou donc ci occasion bonne fête à toutes les femmes du monde ni 8 mars bonne fête à toutes les femmes du monde di que ni elles sont braves di wax que ni que dañuy rek euh, organiser pour que nous ni ñuy agir ci euh, di agir les droits fondamentaux de la femme bon di agir aussi ci les abus sexuels contre les femmes di agir aussi ci l'égalité des genres di naan pour ak la kon Jotna jigéni am sen place ñu jox leen sen gëdd sen ak ak sen yellef aussi ci côté éducation bi tamit may wax que ni technologie bi tamit mën nañu may aussi ñu accélérer ci éducation des femmes et des filles ici au Sénégal et dans le monde entier donc ma ngi remercier ñëpp di remercier aussi de passage madame Nicole Gakou mi nga xamante ni moom moo waral li lépp boobu ba léegi mu ngi suñu ginnaaw di ñu lépp lu ñu nekk mu ngi ciy ànd ak ñun matin midi soir lépp lu ñu ci lu ñu nekk mu ngi ciy ànd ak ñun nekk suñu ginnaaw di ko saliyee de passage di ko wax aussi bonne fête di naan ko aussi ñun pare nañ pour ànd ak moom ci pour que mu atteindre objectif am fépp fu ñu woo pare nañ pour wuy si ko ñoo ngi si ay ginnaawam ñun ñooy ay doomam merci beaucoup. waaw tey bis bi di 8 mars di bisu jigéen ñi yéen lan ngeen ban action yan action ngeen ci def yéen. tey jii pare nañ action yi lépp ñu ngi wut nañ ay ticket ay serviette hygiénique pour di dimbalee ko suñu moroomu jigéen rawatina suñu moroomu étudiante yii nga xamante ne ku nekk xam na ne ñun ñi dëkk ci campus sociale bi moyens yi am na ñoo xam ne moyens yi demeewuñu noonu am na ñoo xamante ni dañuy bëgg a dem resto mais duñu am ay ticket ñii di gis seen mbaax tamit ñu ngi soxla ay serviette hygiénique loolu lépp ñu ngi ko def ci bis bi pour dimbali leen di dimbali leen ci ci loolu saytu bi presque buñ koy xool dépensé nañ si presque deux cent cinquante mille jàpp trois cent mille deux cent cinquante mille jàpp trois cent mille bu ñuy xool waaw te dès maintenant bëgg nañ ko di ko def at at bu nekk léegi bëgg ñu commencé ko ren bëgg à chaque fois maanaam at bu nekk mu am empleur toll foo xamante ni dañuy dem ba agrandir famille bi yëpp ñu ñuy dégg fépp ci Sénégal Euh, je m'appelle jelly Adjak, euh, je suis euh, la conjointe de Yama on est venu aussi aujourd'hui pour la journée à l'occasion de la journée dédiée aux femmes. À cette occasion, nous tenons à féliciter toutes les dames du monde, je ne dirais pas femmes, je dirais toutes les dames du monde, en commençant par nos mères. Et aussi, on voudrait profiter de l'occasion pour projeté par rapport au projet qu'on a avec Madame Nicole et la remercier davantage pour son appui à, à l'occasion de la journée dédiée aux femmes. Euh, à cette journée, euh, on a mené plusieurs actions, c'est-à-dire qu'à commencer euh, des dons de serviettes hygiéniques et des tickets qu'on a eu à, donner par rapport à, à nos conjoints étudiants. Vu que la situation étudiantine est un peu difficile, on a jugé nécessaire d'aider nos conjointes féminines qui sont à, l'université et en leur donnant des serviettes hygiéniques et des tickets. Euh, à cette occasion, euh, nous tenons d'abord à remercier Madame Nicole Gakou parce que nous portons ces t-shirts. C'est une brave dame qui a su toujours soutenir euh, les femmes, les filles, étant donné que toutes les étudiantes autour de l'université. Maintenant, euh, à cette occasion, nous tenons aussi à, dire que nous voudrons que la femme soit beaucoup plus impliquée dans la société, qu'on reconnaisse les droits de la femme, qu'on lui, donne sa responsabilité dans la société. Son implication est obligatoire dans la société parce que la femme est la mère de la nation. Donc sans elle, une nation est vide. Donc c'est très important qu'il y ait le respect, la considération et l'implication des femmes au niveau de la société. Que tout le monde, que ce soit homme, femme, que tout le monde, qu'on se consacre, qu'on réunisse nos forces pour donner la force à la femme, le respect de la femme et la force dans la société. Parce qu'on a tendance à dire que les hommes et les femmes ont le même droit, mais le droit de la femme doit être beaucoup plus s'exprimer beaucoup plus affirmer au niveau mondial. Parce que nous subissons de jour en jour des injustices, des maltraitances. Tout ceci doit arrêter. Doit, on doit dire basta à toutes ces maltraitances que les femmes subissent. Ça suffit. Et c'est pour cela, il est temps que les femmes, toutes les femmes du monde, s'unissent pour dire basta à tout ceci. Je vous en prie. Euh, tout d'abord, bonjour, bonjour à tout le monde. Moi, j'ai mon nom Papa Alcesec. Je suis étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines. Voilà, et je suis euh, membre du, mouvement euh, Les Enfants de Nicole Gapou. Voilà, et, comme je l'avais dit auparavant, je, rends un brillant hommage à, toutes les femmes du monde, et plus particulièrement à notre marraine de ce jour, à Madame Nicole Gakou, euh, la, présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, ainsi euh, membre euh, à la ville de Dakar, la, mairie, C'est bon. nous allons faire un don de tickets et un don de serviettes hygiéniques au sein du campus. et, pour être bref, je dirais que je lancerai un message de conscientisation, vu c'est la, jeunesse qui tient, comment dirais-je, la crème de la société sénégalaise. Ainsi, je lance un appel à tous les jeunes ici et, d'ailleurs euh, à, faire euh, preuve de vigilance et preuve de maturité, euh, à choisir voilà, camp qui leur convient, qui leur convient tout en faisant voilà, le bon choix. En gros, c'était le, message que, je voulais lancer voilà, à tous les jeunes du Sénégal. Merci beaucoup.